ami amis de la fada bonsoir et bienvenue amuna fada da fatan lafiya da wannan na matasa mai farin jini studio gabatar muku aujourd'hui la fada se trouve à l'université de Niamey où nous abordons un sujet délicat mais important le banditisme des jeunes de la capitale en se concentrant sur les formes les causes et les conséquences des vols à l'arraché et des agressions le phénomène du banditisme a pris de l'ampleur dans la capitale ces dernières années la violence les vols avec armes blanches les les agressions physiques ou dépouiller les autres de leurs biens sont devenues des réalités quotidiennes dans certaines zones urbaines. Ces actes ont des répercussions graves sur la sécurité des citoyens, l'économie locale et la cohésion sociale. Quelles sont plutôt les causes profondes et les conséquences possibles Aujourd'hui, nous tentons d'apporter des réponses à ces questions. Pour en parler ce soir, euh, je reçois Sanoussi Halarou, il est étudiant. J'ai aussi à côté de lui Saratou Suleiman. J'ai aussi Salim Kimba. J'ai aussi à côté de tout cela Lubabatou Hamza. Et juste à côté, j'ai Monsieur Idrissa Issoufou Garba et Ridwana Mamoudou. N'oublions pas aussi que nous avons d'autres jeunes qui sont là autour de la FADA et n'hésitez surtout pas à intervenir quand vous avez quelque chose à dire. La FADA, comme vous le savez, c'est accompagné d'une rubrique rose, la musique et la chronique. Tout ceci en 35 minutes chrono réponses. Je suis Samira Wafi pour la présentation et à la technique, c'est Abdulkader Chambiano. Première partie de notre fada to abokai matasa masu sauraron mu a yau a cikin fadar tamu da ta yada zango a nan University Audu Mumuni de Nyame za mu magana ne bisa kan harkar sace-sace wani kwace da matasa ke yi yaya wannan ke shafar rayuwar matasa yaya mutane ke jin tsoron huta da wani kudin su da wani salularsu a hannu ana kiran ka sai ka ji tsoron ma dagawa za mu duba yadda ake samun kes in harkar wannan sata da wani kwace da kai hare-hare wa jama'a je commence avec vous monsieur Issoufou ko kun ya gaya muna quels sont les principaux types de banditisme qu'on observe ici à Niamey que les jeunes font Euh, merci donc euh, au studio Kalangu et à l'émission La Fada. Euh, comme vous le savez, effectivement, ce phénomène de criminalité juvénile se développe de façon croissante euh, dans notre euh, pays et de façon précise dans la capitale. C'est vraiment un fléau qui met à mal la circulation des personnes et des biens. Le plus grand nombre de vols s'est fait enregistrer dans le domaine du téléphone portable. Euh, parce que c'est accessible, c'est très facile de voler un téléphone, parce que même en pleine circulation, euh, dernièrement, il y a un ami qui, et son téléphone se trouve euh, au niveau de son poche, du moins sa poche d'en haut, et en pleine circulation, deux jeunes sur une moto l'ont arraché et ont continué leur chemin. Au-delà de ça, voyez-vous, les filles surtout qui quittent leur habitat pour se rendre dans les différents arrêts de bus avant d'y arriver mhm. peuvent se faire agresser par des délinquants. Et le plus souvent, si on ne leur arrache pas leur téléphone, on leur arrache leur ordinateur portable parce que pour ceux qui est de l'argent, c'est pas facile de trouver avec un étudiant. Et il y a le fait aussi que eh, les gens sautent les murs des autres pour aller dans leur maison et voler des biens. Et même là, le plus souvent, c'est des téléphones, c'est des appareils, des téléviseurs ou bien euh, des ordinateurs qu'on vole. Voilà, a Bonjour, je me présente au nom de Saratou. Bon, je n'étais pas victime. C'est une amie qui a été victime de ce genre de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé Bon, elle était en train de marcher. Du coup, elle avait un iPhone 14. Elle avait pris un appel comme ça. Et il y avait deux gars derrière elle qui marchaient. Et il y avait d'autres camarades aussi qui sont derrière, qui venaient pour aller vers la rue de bus. Du coup, les camarades se sont marchés jusqu'à vers elle. L'un dit un tel, donne ton téléphone et ce que tu as dans ton sac. Quand elle a hésité, hésité, un d'entre eux a levé le couteau. Soit tu donnes ou bien on va te Mais les camarades qui sont derrière n'ont pas réagi ni manifesté pour venir à l'aide de cette camarade. Et du coup, elle a donné ses affaires et c'est fini. Allah sarki zan dawo ta bangaren ki Lubabato. Shin wanga abu sabon fenomen ne koko tun dadewa mutane na fuskantar wannan kwace da To da ya shi Plus de trois ans comme ça. parce que a lokaci ina a terminal mun je wajen exercice sai monsieur bai zo ba aka annuler exercice que environ 15 heures za mu tayi a gida wa mutum biyu saman kan moto suka tare mu je in ni ɗaya ci suka tire sak sak ta katse ya da takalma na gudu na tahiya ta wasu samu portable kin Allah sarki zan dawo ta bangaren ka Sanusi halau ina so in sani shin wannan al'amarin na a ce ana kwace kai a gare ka duk a cikin su wani an ka fi samu kwarai a cikin wannan jiha tamu ta babban birnin yamai abin da aka fi samun kwarai a gaskiya shine kwace irin aje a tare mutum a ce mashi duk abin da yake hannun shi ya bada misali waya ko abin da yake in yana sak ko abin da yake da cikin sak an yi yawancin samun a tare mutum a ce mashi ka kawo abin hannunka ko kuma ko abin hannunka ko kuma a cutar maka zan dawo ta bangaren ka salim kimba salim ka dai ji abin da duk sauran 'yan uwan namu suka waɗi nan kewaye da fada to kai tambayar da zan maka ita ce eh, est-ce que euh, tu penses que le phénomène de violence notamment les, les agressions a augmenté à Niamey bon vraiment ça augmente parce qu'il n'y a, aucun, y a aucun changement, on n'a rien vu jusqu'à présent. Les gens continuent de, d'agresser les gens sur les voies, même, voire même euh, sur les différents euh, axes. Parce qu'on a l'habitude de venir euh, sur notre axe pour nous agresser. Mhm. J'étais présent, j'étais avec les camarades. On nous a agressés là-bas. Ils ont, ils ont eu quelques appareils, on n'a pas pu les attraper. Donc pour ça, l'État doit prendre des dispositions sur ça. Nous allons faire une pause dans notre fada. Nous avons une rubrique, comme je l'ai annoncé tantôt, pour écouter euh, les filles du studio Kalango et savoir euh, ce qu'elles ont à nous dire. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Je j'ai trop de rêves à préparer. Hello les amis, comment allez-vous Bienvenue dans notre coin dédié aux filles où on va parler d'un phénomène très dérangeant pour nous. Il s'agit de cornes qui se forment au niveau des pieds. Très souvent, ces cornes aux pieds sont causées par un frottement répété dans les chaussures, compression excessive de la peau contre un os du pied pendant la marche ou une anomalie biomécanique du cycle de la marche. Pied plats, pieds arqués, obésité ou perte du tissu gras. Alors pour commencer, comment enlever efficacement la corne formée sur les talons Souvent ici, pendant la saison froide, nos pieds durcissent au niveau des talons, une couche de corne se forme. Parfois désagréable, parfois ça fait très très mal. On appelle cela des callosités. Il existe des moyens de s'en débarrasser et de les enlever aussi. Comment se forment les callosités Les callosités apparaissent parce que la peau s'épaissit. Il s'agit d'une hyperkératose qui est due à un hyper sur cette zone. Le plus souvent, c'est parce que quelque chose vient claquer sur le talon que les callosités se forment. Les moyens pour la peau du pied de se protéger face à cette agression, c'est donc de gagner en épaisseur. Chez certaines, notamment chez eux qui ont la peau particulièrement sèche, les callosités peuvent être présentes toute l'année, mais dans de nombreux cas, c'est pendant la saison froide qu'elles se révèlent. Les pieds sont exposés à l'air qui les sèche et on a tendance à porter des claquettes ou des sandales fines qui engendrent ce phénomène de claquement qui vient stimuler la production de peau. Prévenir les callosités, comment s'y prendre On les remarque parce que le talon est plus épais, plus dure et adopte souvent une couleur légèrement jaunâtre. Cela peut être simplement gênant ou devenir franchement douloureux si ça s'aggrave. On repère alors à des aventures de la corne appelée crevasse. Ces figures ont tendance à s'approfondir et peuvent devenir des plaies. Dans ces cas, il faut immédiatement consulter pour les faire traiter. Pour éviter que ces figures n'apparaissent, il y a une technique très simple. Mettre régulièrement de la crème hydratante, même si l'on a déjà de la corne sur les pieds. Et si l'on veut prévenir l'apparition de cette dernière, il est conseillé d'éviter au maximum de porter des chaussures qui, claquent à l'étalon. Avant l'été, on peut aussi faire un soin chez un pédicure pour commencer la saison avec des pieds sans corne.

je marche avec la comme soja, Raja, Raja. je dégage car ils sont majeurs. Abonna, Abonna, et mon bas tu vois Abonna, Abonna, tu vois chola. Pour les sabu, ils savent. Pour les nigga, moi ils Et me C'est ma mélo, c'est ma mélo, c'est ma mélodie. C'est ma mélo, c'est ma mélo, c'est ma mélodie. C'est ma mélo, c'est ma mélo, c'est ma mélodie. C'est ma mélodie. C'est ma mélodie. Deuxième partie de notre émission Amis Jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la FADA qui s'est installée à l'université. Aujourd'hui, et pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en cours dans cette émission, nous parlons du phénomène du banditisme des jeunes dans la capitale en mettant l'accent sur les vols et agressions. Euh, je continue avec toi, Ridouane. Ridouane, est-ce que tu as une fois été euh, agressé Est-ce que ça t'a fait peur et tout Quels sont les séquelles que ça t'a laissé Eh, tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai jamais été victime de ce genre de tentative eh lubabatu zan dawo ta bangaren ki shin wannan haraka sace sacen da wani ka huta baka san ko kana komowa da sakun ka ba koko da wani salulaka bai baki tsoro a matsayin ki na ya mace kuma ɗaliba to gaskiya al'amarin yana da ban tsoro sosai basu kai wata ran zamu ji ba mu san mu huta ko muna da abubuwa da yawa da muke son mu yi mai muna shin tsoron huta surtu da dare hakan ga ko da abun yana unhwanin mu mai ba mu iya huta gaskiya abun yana da ban tsoro sosai wannan ilfo ke ta magana na ga kina da moto ba ta ba ta ko kin iya gabatar da kanki wa masu sauraron ki mi sunan malama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko dai sunana habiba amadu Habiba. To hmm. Habiba ɗazu kin zo gun fadar tamu da moto na ganki da moto ina son in sani a matsayin ki na ƴa mace kuma ɗaliba kina da moto watan akwai kuri inda yana ƙara yabinci ina yana ƙara disnavel. Ba ki jin tsoro in za ki koma gida ko na baka dan ganin cewa yanzu al'amarin nan na harkar banditism yayi yawa cikin gari. Kai gaskiya harakar yana da ban tsoro kwarai. Balle bisa hanyar da nake bi kwarai hanyar da nake bi nan ga hanya sirtu baka saurin ganin mutane haka Eh, ko da rana ne mutum yake tahiya wurin na ana iya tare ka bai ma daɗe ba kwanaki sun taɓa tare wata mace ita ma bisa motokinta kawai suka tare ta suka ce mata da suka tare ta suka shiga gabanta suka shiga gabanta sai ta tsaya da ta tsaya sai suka mare ta da suka mare ta sai suka ce ai tun ɗazuman mata aike ki tana nan tana jiran ki ta ce ki zo kuma ba su santa ba ko ina ba su san ta ga ta dan gudun mutanen da a kusa su aza ko kamar eh, yan gidansu haka nan ha kawai suka mata haka nan kuma tsakar rana wurin kenzer ha kawai suka amshe mata moto suka yi gudu tana kuwa tana gayin bata san su kuma babu mai taimakon ka yanzu mutane na gani ana yin wani abu amma ba a taimako wa'ansu suna taimakon ka amma wa'ansu suna tsohon su taimaka a eh kuma daga baya a zo a dawo gare ka da wannan magana ta ta zamu koma wajen malam Idrisa Isufu Ɗazu mun yi magana bisa kan le formes de banditisme da ake samu. Euh, maintenant, qu'en est-il des causes profondes de ce phénomène Pourquoi de plus en plus les jeunes se tournent vers les, euh, les violences et les agressions selon vous To lalle haka ne gaskiya ne yanzu kundi kun ba cikin haraka wannan na tashin hankali da ake sa cikin gari eh, a ta a kwace mutane kayansu wannan lalle matasa su ne gaban wannan haraka da bai da kirci. to kuma an diba lalle abun da yake sa matasa suna wannan haraka na farko rishin tahiyan ekol lokal wannan yana da contribution da bai da iyaka cikin wannan haraka na biyun kuma akwai wannan tarbiyya na gida tunda akwai wasu ba su ta yi lokal ba amma kuma suna ma jin yunwa mai ba su yi ci abincin da ba nasu ba ne balle su ta su kama kayan wani Eh, akwai rashin aiki lalle in kun diba yanzu matasan Nijar ba su da iyaka wanda ba su da aiki kuma wanda bai da aiki lalle ko da yana da hankuri eh, yana iya shiga harkokin da bai kamata ba eh, sirtu harkokin na sata biski in kun diba kayan a zama wani babban kriminal da sata ce hara to madalla zan dawo eh, ta bangaren ka malam sanusi ina so in sani kamar est-ce que ton shin est la pauvreté ko ko manque d'opportunité d'emploi ou d'autres facteurs sociaux suna impacté bisa kan samun wa irin waɗannan ɗabi'u da matasa ke yi na fasikanci e, kamar yanda garba idrisa isufu ya ce eh, a gaskiya hakanan ne domin da inda babu tarbiyya ba a tarbiyyatar da yara ba bisa abin da ya dace na tafiyar da rayuwarsu yadda ya kamata akwai matsala saboda yaro ya kamata a ce tun tashin shi a koya mai ga abin da yake daidai ga abin da bai dace ba ga abin da ya kamata ya yi domin rayuwar shi ta inganta ya unhwani kai ne sannan ya unhwane yan uwan shi ya unhwane jama'a gaba ɗaya da inda aka samu matsala babu wannan tarbiyya to zai tashi cikin wani yanayi na duk abin da ya biyo mai a rai shi zai ta yi aikata kenan wannan yana daga cikin haƙƙi na yaro iyayen shi su tarbiyyantar da shi bisa tafarki na gaskiya bisa tafarki wanda ya kamata zai unhwani kai ne ya unhwani jama'a gaba ɗaya sa'an ya unhwani ƙasashe. madalla zan dawo eh, ta bangaren ki malama eh, lubabatu ina so in sani shin a ganin ki solon tuwa loman ku da model positif kan ga wani babba da akwai cikin anguwa da zaka gani ka gwada da shi yana favorizan wanga haraka na banditism da matasa suke yi <clears throat> yana yi ta wani bangaren amma ta wani bangaren ba dole sai ka ga wani babba ya baka tarbiyya yadda ya kamata a yi tunda ko cikin manyan ma akwai lalaku lala yana iya tsuwa haka ma na kwarai yana iya tsuwa just education ce ta sai hankali to madalla can biya in ka shirya za mu zaɓi wata waka da za mu sadin shakata kafin mu dawo don ci gaba da wannan shirin namu Thank you. like you. Yeah, yeah, gonna ya har ma a bashi lamba sai soja sai soja sai dai soja soja birgi mana saka soja marmari daga nesa bindiga tira ku yaki a galali soja soja ina ka fitar tallafi dubun ka yi ibra ya karuwa mai wanke dauda na sarka gaishe ka na yaba akwai alheri Jar kaya na yi ba harkin gani jiwonsa, wane rago da rigar soja, mai aro bai sa soja, wane mutum da kakin soja, daga yau sai matan sai mu da ke taba muku hana. Nasar na gaishe ku, ta biji sai kallon leka, da bai goma, tawa da na canzan lega in iske metin sai

Troisième partie de notre émission et nous passons aux conséquences du banditisme des jeunes. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît? Oui, effectivement, je peux me présenter. Moi, je réponds au nom de Mahmoud Hamid Mokhtar étudiant régulièrement inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines, plus précisément au département de la philosophie, culture et communication. Nous sommes aux conséquences et la question que je te pose est la suivante. Quels sont les impacts les plus visibles du banditisme des jeunes à Niamey, à la fois sur les victimes et pour la société dans l'ensemble euh, Effectivement, ça peut créer beaucoup de, faiblesses par rapport à, la population. Parce que tout simplement, c'est des gens-là qui n'ont pas de métier, qui sont en train de perturber la population. Donc vraiment, je vois que par ça crée beaucoup de frustration. Imaginez quelqu'un qu'on lui a arraché son bien. Est-ce qu'il sera content Donc je vois que vraiment, ce n'est pas un acte bon. Ça crée beaucoup de conséquences au développement de la population. Ça empêche même les gens d'avoir des ambitions. Parce que c'est ceux qui ont pris la voie de... de ceux-là qui ont pris la voie de la facilité. Donc il doit vraiment bannir ces actes de comportement. Ce sont des comportements qui ne vont pas contribuer au développement de notre pays. Monsieur Idrissa Issoufou, et selon vous, euh, comment est-ce que ces, euh, ces actes-là affectent l'économie locale Effectivement, comme vous le savez, euh, voler un téléphone, c'est voler une économie à l'échelle micro. S'il travaille normalement, il a dépensé énormément de calories pour entrer en possession de ce téléphone. Et si on lui arrache ça, vu que ces activités aujourd'hui, beaucoup d'activités dépendent de ce téléphone, il va être retardé par rapport d'abord à ses activités. Deuxièmement, il va être retardé d'un point de vue pécuniaire parce que même les 50 000 là, pour encore avoir ça, pour payer un nouveau ou un nouvel appareil, c'est encore un autre souci. Vous n'avez aucune garantie aujourd'hui de payer un téléphone après 30 minutes après le vol d'un autre. Donc vous allez attendre, ça vous retarde. Ça, c'est à l'angle des téléphones. Par exemple, quelqu'un qui dort avec sa femme, on vient la nuit, on prend leur téléviseur. Ses enfants ne peuvent pas comprendre cette situation. Il sera obligé de créer les conditions peut-être de s'endetter. Et cela va le ruiner parce qu'il est entré en possession d'un bien ah, par dette, alors qu'il lui faut travailler pour compenser ce bien-là qu'il a pris. Donc, ça retarde le développement de l'économie. Et comme il l'a dit, ça fait en sorte aussi que les gens ne peuvent pas avoir des ambitions dans ce pays-là. Parce que quelqu'un qui est parti travailler durant des longues journées ou des mois, voire des années pour avoir un bien, un bon jour, on vient, on l'arrache ce bien et que rien ne se passe. La police n'arrive pas à capter cet individu pour lui ramener son bien. Lui-même, n'est plus obligé de, de, de continuer à se battre. Il peut emprunter lui-même la voie de la facilité. Merci. zan dawo ta bangaren ka Sanusi ina so in sani kai yanzu a ganin ka wani irin sakamako ne za a samu bisa kan rayuwar mutane ma'amalar su da juna inda irin wa'annan abubuwan suka ci gaba yanzu kamar kai in baka santa ba ta to ta zamna kusan ka kusa hakan ka iya yarda da ita shine muke son mu sani. Eh yarda da ita kai tsaye ba zai yiwu ba saboda bayya yiwuwa da ka ga mutum kai tsaye karere da shi a cikin lokacin da ake ko na samu yarda da ita ko da shi zan ɗauki lokaci na in san shi da abu in san shi bai nuhin in san shi duka gaba ɗaya kenan harkar satan nan da agashe yayi impacte bisa kan social le social de janko yayi saboda bayya yiwuwa kawai daga mutum ya zo ya zauna kusa da ni ban san dawar ban san intention shi ban san niyan shi ba ban san niyan shi ba bi ya yiwa yarayar da shi kai tsaye saboda yana iya ya zo yarayar da shi ya cuce ni sai na yarda da shi ya yi unhani da wannan yarda ya cuce ni ya taya ban kuma ban san shi ba <laughs> sai da haka yarda kai tsaye yana da wuya gaskiya fi su billahi ya kare ne lubaba mutu zan da tu maganin ke da abun da ya ce shin wannan harkar sace sacen ya hidda yadda tsakanin mutane ko kaka ne ya hudda yadda gaskiya sosai dan ba kowa zaka iya yadda da shi ba ko na tare da kai ma ka shi tsoron shi balantana nesa da kai <laughs> ba ta mi kuma zan dawo ta bangaren ta ke kuma tambayar da zan miki ita ce yanzu ki a ganin ki eh, yayi menene hukumomi koko mutanen da ke kewaye da mu manyan mu ya kamata su yi ganin cewa eh, wannan abun an dan rage shi koko an samu mahita yanzu ki an miki sata ki a ganin ki ya kamata a yi a taimaka miki oh, ya kamata dai a sa bincike kwarai kuma tsaro kuma ya kamata ya yi yawa cikin gari ko ina a rinka sa tsaro hanya da yake shiru cikin da rana tunda kana iya bin wani hanya sai ka shi hanyar nan shiru hanya ya shiru baka iya biye shi saboda kana tsoro in ka bi shi a abin ga a tare ka tunda hanyar da ko da rana yana shiru baka iya biyan shi yana kuma shi da dare kuma shine hanyar ka wanda kake bi ya kamata tsaro yayi yawa wurin nan kuma huta yayi yawa wurin hanya c'est notre dernière question du point de vue social quelles sont les répercussions à long terme pour ces jeunes là qui se lancent euh, dans des activités euh, euh, qu'on peut traiter de, criminels effectivement, les répercussions sur ces jeunes, les jeunes, les auteurs eux-mêmes, c'est que premièrement, ça les expose premièrement à la prison, deuxièmement, ça détruit leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, être un ancien voleur et avoir, et avoir une assise dans un quartier, je pense que personne ne peut accepter qu'on dise qu'un tel c'est un ancien voleur et qu'ils sont des voisins. Et de même, même si a abandonné, si vous perdez votre bien, la première des personnes à laquelle vous penserez, c'est effectivement votre voisin, ancien voleur. Donc, c'est pourquoi il est important qu'il abandonne cette pratique, puisque avant que ça impacte, même ceux à qui il pose l'acte, c'est eux-mêmes qui sont impactés. Deuxième chose, quand vous prenez quoi qu'on fasse dans ce monde-là, moi je pense qu'on est obligé à un moment de revenir sur Terre pour construire une famille. Et vous avez des enfants, et votre histoire servira pour eux d'une orientation. Soit on leur dira que leurs parents étaient des bonnes personnes ou bien que leurs parents étaient des mauvaises personnes. Et donc, c'est un autre impact social. Autre chose, quand vous prenez, ça peut même aller à la mort. Aujourd'hui, quand vous entrez la nuit, en tout cas moi, si vous entrez chez moi la nuit, si je n'ai une arme, je fais usage sans hésiter. Mais si vous sortez de chez moi avec mon bien, je ne vous poursuis pas. Mais je ne peux pas savoir qu'un individu, parce que même la loi protège par rapport à ces genre d'actes, à partir de, euh, à partir de, 0, 22 h il est quand même admissible par la loi de tuer celui qui saute donc vos murs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces des gens comme nous qui savons déjà que euh, nous sommes protégés par la loi, c'est un grand risque pour un voleur de sauter nos murs la nuit. Et donc, vraiment, il faut que, il faut que ils sachent que eux-mêmes, ça les détruise d'abord. Et qu'ils ont la possibilité. C'est un message qu'on lance <laughs> au potentiel voleur. Voilà. Et qu'ils peuvent avoir la possibilité d'une insertion sociale. La vie n'est pas magique. C'est sûrement ma, c'est ça ma prochaine question même que je voudrais poser à Sanoussi alors c'est de savoir si euh, leur avenir est compromis ou bien il existe des solutions pour leur réinsertion dans la société La seule solution est hanya guda ce ta gyara makomansu su daina wannan wannan ta'addanci saboda dan ta'adda bai da ingantacciyar rayuwa kuma me yasa koyaushe ta kai wannan abin da ya yi na ta'addanci yana baya gare shi ko ya kai komi shekarun shi gobe sai an gai wane kai ne wanda ya kasance ka zama matsala cikin al'umma kenan eh, abin da yake solution shine su bar wannan kuma in aka bari a bari duka-duka ba a bari ba a yi tuba mu zuru da ka tuba ka bari mutane za su fahimci ka bari kuma za su karɓe ka hannu biyu amma matuƙar yi tuba mazuru wannan yana sa ka ce ka bari kuma ka koma a kenan kana nan wurin da kake asha lubabatu na zo ta bangaren ke kina iya rayuwa kusa da wanda aka ce yana da wani abin ga me ake cewa wani antecedent tsohon barawo ne ko ko da ta ga mutane suke hari suke mutane kina iya rayuwa ku ce ga gidan ku ga gidan shi kai ina ji tsoro <laughs> a ina ji tsoro rayuwa kusa da shi gaskiya da ina tsoro ni ko kuma daga baya ya sake cikin ya dawo cikin tsohon aikin shi ke kuma fa ban iyawa akwai wuya rayuwa kusa girka gidan shi est-ce que tu peux vivre à ta, ta maison à côté de la maison de quelqu'un d'un ancien voleur ou bien qu'on dit il a des antécédents criminels Bon, je ne peux pas vivre à côté de lui parce que à toute fois, moi je pense qu'il peut revenir me voler quoi, même s'il a laissé quoi. Donc euh, je ne fais jamais confiance à, à un ancien voleur parce que à toute fois, il peut il peut venir m'attaquer quoi. Donc c'est ça que je pense. Sur ce, avant de clôturer, nous allons accueillir euh, Seno 50% et sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle chronique dédiée à l'élevage au Niger, l'un des piliers essentiels de l'économie nationale. Comme vous le savez, la semaine dernière, nos réflexions ont porté sur la campagne agricole. Et eh bien aujourd'hui, nous allons explorer la campagne agro-pastorale qui joue un rôle vital dans la vie de nombreux Nigériens. Le Niger, pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est principalement composé de vastes étendues de terres arides. Malgré ses défis environnementaux, les Nigériens ont développé une riche tradition agropastorale qui est devenue le fondement de leur substance. Chaque année, avec l'arrivée des pluies saisonnières, les agriculteurs nigériens préparent leurs champs pour s'aimer une variété de cultures, dont le mil, le sorgho, le maïs et bien d'autres encore. Ces cultures fournissent non seulement de la nourriture pour les familles locales, mais elles sont également une source de revenus cruciale pour de nombreuses communautés. L'élevage occupe également une place centrale dans la vie rurale au Niger. Les troupeaux de bétail, notamment des bovins, les ovins et les caprins, sont élevés dans les pâturages de la région. Les éleveurs notamment parcourent souvent de longues distances à la recherche de pâturages verdoyants pour leurs troupeaux. Cette tradition ancestrale d'élevage est une source vitale de substances pour de nombreuses familles. Cependant, la campagne agropastorale au Niger n'est pas exemptée de défis. Les changements climatiques ont rendu les pluies saisonnières plus imprévisibles, ce qui peut avoir un impact dévastateur sur les cultures et les pâturages. De plus, la croissance démographique entraîne une pression croissante sur les ressources naturelles, ce qui nécessite une gestion durable pour préserver ces écosystèmes fragiles. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite. Merci Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Lubabatou Hamza, et les étudiantes Nous avons aussi eu Idrissa Issoufou Garba, Ridouane Mahamadou, Mamoudou plutôt. Nous avons aussi eu Sanoussi Halaroui, les étudiants aussi, et Saratou Suleiman et Monsieur Salim Kimba sans oublier les jeunes qui ont intervenu dans cette émission kamar da kuka ji ne a ƙarshe na musu tambayar sanin shin sun iya rayuwa a kusa da wanda aka ce yayi zaman sata ko kuwa yayi zaman kai mu mutane hari wanda dai kuka ji ne duka yawancin sun ce gaskiya su ba su iya dan tsoron kai ta ya koma cikin mugun halin da ya saba dan an ce tukunya da ta saba ƙari ba bari take yi ba kenan kun ga consequence in suna da yawa abun da kai zaman yi da baya ya iya pursuivre in ka kenan mutane a ayi taka tsantsan da fatan dai wannan shirin ya ƙayatar da ku kuma vous avez tiré beaucoup de leçons dedans madala daga nan zan ce muku mu wuni lafiya sai kuma gobe inda za ku haɗu da malama rukayeta abdurrahman dan ta ka muku wannan a harshen turanci da kuma zabarmanci kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya